forum district kalam the forum district kalam the forum district kalam the forum district kalam the forum district kalam the forum district Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue au forum du studio Kalangou dans une présentation de Balki Samidou. Les programmes du studio Kalangou sont diffusés en direct par 34 radios partenaires dans toutes les huit régions du Niger. À Niamey, vous nous suivrez sur Alternative FM 99.4 MHz, Amfani FM 100 MHz, Kwartagi FM 90.9 MHz, Challenge FM 96.6 MHz. Notre page Facebook Studio Kalangu, notre site internet www.studiokalangu.org. Le forum du studio Kalangu est un espace d'échange, de débat, d'éducation et de sensibilisation à travers lequel des personnes ressources apportent des réponses aux préoccupations des citoyens relativement à des questions d'actualité ou de société. Aujourd'hui, le forum du studio Kalangu porte sur la participation des femmes à la conférence nationale souveraine, rôle et place. Après la marche du 13 mai 1991 pour réclamer plus de représentativité dans les instances de la conférence nationale souveraine, les femmes nigériennes ont obtenu gain de cause. Elles ont intégré la commission préparatoire et participé ensuite à la conférence nationale qui a duré trois mois à partir du 29 juillet 1991. On les voit sur les images d'archives de la conférence nationale souveraine au présidium, au sein des commissions, des délégations des partis politiques des centrales syndicales, etc. Certaines se sont distinguées à travers les interventions courageuses et déterminées. Certaines étaient déjà dans les instances de décision de l'unique centrale syndicale, l'USTN, ce qui a favorisé leur pleine participation. D'autres, par contre, ont joué un rôle euh, plus timide, moins habitué à la prise de parole en public. Nous allons débattre euh, tout au long du forum de cette euh, question. Nous raconterons le rôle et la place des femmes à la conférence nationale. Nous nous demandons si le le regard que les hommes portent sur les Nigériennes a changé après cet événement historique. Pour débattre de cette question, nous avons invité pour vous Madame Yahaya Hawasangare, déléguée de la CDS à la Conférence nationale souveraine. Nous avons Madame Bari Bibata Nyandou, qui représentait la police au niveau de la Conférence nationale souveraine. Nous avons joint au téléphone Madame Jawara Irene, membre du BEN USTN, une femme qui a joué un rôle de premier plan dans les débats de la Conférence nationale nationale souveraine. Nous avons Madame Ibrahim Mariama Alassane qui a représenté le MNSD au niveau de la conférence nationale souveraine. Chers invités, merci d'avoir accepté l'invitation du studio Kalango. Comme annoncé, le forum du studio Kalangu porte sur la participation des femmes à la conférence nationale souveraine, une rencontre initiée par les forces vives du pays à l'issue de plus d'un an de crise économique et sociale. Ces forces vives réunissaient à l'époque l'unique centrale syndicale des travailleurs USTN, les syndicats non affiliés et l'Union des scolaires nigériens USN. La conférence devait instaurer la démocratie au Niger et débattre de plusieurs épisodes historiques du pays les partis politiques venaient de naître quelques mois plus tôt après l'acceptation du multipartisme par les autorités. Cette page de l'histoire du Niger qui marque l'avènement de la démocratie, les femmes avaient décidé qu'elles ne s'écriraient pas sans elles. C'est pourquoi elles ont marché le 13 mai 1991, comme vous l'avez raconté dans notre premier forum de cette série sur la participation politique des femmes au Niger. Alors, comment finalement les femmes ont été représentées par quel mécanisme avant de rentrer entrer dans le vif du sujet, je vous invite de suivre la réponse à ces premières questions avec M. Rabi Oudaouda. Il était le président de la commission préparatoire de la conférence nationale souveraine. Nous, notre préoccupation, ce n'était pas les femmes. On ne parlait pas genre, on parlait au groupe groupe travailleurs, groupe parti politique, groupe étudiants, groupe pouvoir. Nous, nous avons d'autres préoccupations, donc on n'allait pas nous laisser nous divertir par des petits problèmes. On ne peut pas créer un groupe pour les femmes. Et elles aussi, elles ont accepté que les femmes aillent dans leur structure Bon, dans notre groupe, elles ont été utiles. Si vous prenez le cas de Madame Irène ou de Madame Bagna, c'est des grandes battantes. Il n'y a vraiment pas eu d'animosité il n'y a pas eu d'agression verbale, puisque de toutes les façons, elles font partie du corps. Le syndicat a mis des femmes syndicalistes. Irène Diawara, par exemple, Madame Aïssa Tafal, elle était syndicaliste, on était ensemble, on était dans le bureau. Irène Diawara, elle était membre du bureau exécutif de l'USTN mais elles étaient membres. Qui au niveau de la centrale, qui au niveau des syndicats affiliés à la centrale. Il n'y a jamais eu, en tout cas, en ce qui nous concerne, au niveau du syndicats, il n'y a jamais eu de ségrégation. Et vous avez des réactions. Je commencerai par Madame Diawara Irène. Ce qui nous a un peu choqué là, on était à un séminaire organisé par le ministère de la promotion de la femme. Et je crois que c'est le SUNYAP, le 12. Alors, euh, un décret est sorti pour euh, la préparation de la conférence nationale. Donc, euh, dans ce décret, il n'y a que des hommes, aucune femme. Il y a un seul parti politique qui a donné le nom d'une femme. Alors, maintenant, on s'est dit, mais ça ne va pas. Les femmes sont révoltées, elles ont dit que ça ne va pas, il n'est pas question de se laisser vraiment distraire comme ça, il faut qu'on réagisse. Et c'est en moment automatiquement, les femmes ont réagi. On a monté des comités, on a tout fait. Hein. C'est de là où le 13 mai a été un exploit pour nous, avec tue des associations féminines, la FN, l'USTN, on a téléphoné un peu partout. En tout cas, ça a été vraiment bien. On se retrouvés à la place de la concertation et c'était très bien. On a marché, on est arrivé jusqu'à euh, les affaires étrangères. Donc là où se préparait la conférence nationale. On est rentré, on a demandé qu'est-ce on leur a dit que nous ne sommes pas d'accord, faudrait que nous aussi nous siégeons à cette euh, assemblée. Ils ont dit non, non, non, non, non, ne figure pas, il faut aller voir maintenant le chef de l'État, c'est lui qui peut faire. On a dit non, n'est pas d'accord. Rabi, on l'a pris en otage, mais c'est lui-même. Bon, mais on a détaché un groupe qui est parti, retrouver le président à l'état-major pour lui dire que vraiment ça ne va pas. Il a vu l'ampleur où il y a les femmes déferlées de tous côtés. Il a dit ah, il faut qu'on voit ça de près, qu'est-ce qu'il faut faire Il a appelé André, je crois, et qu'ils sont en bon maintenant, comme il y a cinq groupes, on ne peut pas déroger à la règle, il faut maintenant faire un autre additif pour mettre au moins une femme par groupe. C'est ainsi qu'on a mis une femme par groupe. Nous, l'USN, on leur a demandé qu'est-ce qui s'est passé. C'était une erreur de leur part. Parce qu'ils ont dit, mais tiens, vous n'étiez pas là, il n'y a aucune femme, donc il n'y a que des hommes. C'est nous qui avons voté ceci, cela. Bon, on a dit, mais il fallait penser au moins au département de la femme travailleuse, même si c'est Madame Bagne ou moi, une des femmes au moins. C'est une erreur, bon, maintenant il faut réparer. C'est ainsi qu'on a pu avoir cinq femmes à la préparation de la conférence nationale. Ce sont des femmes qui ont été choisies par leur structure. Hein. Nous, on a pris comme ça, ils ont envoyé notre autre femme qu'elle soit représentées ce pas notre problème. L'essentiel pour nous, qu'il y ait un certain nombre de femmes, parce que les femmes représentent plus de 50% de la population. Il n'est pas question de faire un forum où la femme est écartée. On se dit non. Maintenant, à la conférence nationale, on prendra nos dispositions. Voilà ce qui se Dambari Bibatayando, quelle réaction l'intervention de Rabiou, c'est à votre niveau je veux vous remercier d'abord de nous ramener <laughs> des années en arrière. Maintenant, lorsque euh, M. Rabiou a parlé, il a dit la vérité. C'est qu'à à l'époque, on ne parle pas femme. Pour eux, diriger un pays, ce sont les hommes. Et ils ont complètement oublié la femme. Le seul qui avait pensé à la femme, c'était le feu docteur euh, Abdou du parti PNP, je pense. Lui, au moins, il avait à l'époque pensé à la femme. Vraiment que le paradis soit sa dernière demeure, quoi. Voilà. Donc, euh, il confirme qu'effectivement, la femme a été oubliée. Mais c'est sans compter avec la réaction et la vigilance des femmes. C'est notre vigilance qui a fait que, spontanément, nous nous sommes réunis et nous avons marché. Et la marche a apporté ses fruits parce que non seulement on a pensé à nous au niveau de la commission préparatoire, mais aussi après au niveau de la conférence nationale. Ils n'ont pas fait, c'est vrai, de groupes particuliers femmes, mais les groupes qui existaient, chaque groupe a pensé à mettre une ou deux femmes. Donc nous nous sommes retrouvés comme ça à la conférence nationale. À l'époque, on ne se connaissait pas, hein, mais à force de lutter ensemble, de se frotter, de se confronter, ben là, on a fini vraiment par tisser des amitiés longues. Quoi. Dama Yahaya Hawa quelle réaction l'intervention de Rabiou si à, à votre niveau En tout cas, <laughs> le vrai Rabiou, il a totalement raison parce que avant, la femme n'était pas prise en considération, surtout les femmes travailleuses. Il y a tous les syndicats, mais elles n'étaient pas encadrées. Elle n'avait aucun encadrement, aucune réunion pour les informer de ceci, de cela. Les femmes enseignantes, je parle du domaine que je connais. Les femmes enseignantes, elles ne savaient même pas que la préparation, de la conférence nationale se préparait. Sauf ce qu'on a vu à la télé. Donc, euh, quand les choses ont été conclues, c'est nos partis politiques. Je suis de la CDS. C'est la CDS qui m'a proposé avec Madame Foumakoy, comme on ne savait même pas que la femme n'était pas représentée à la conférence nationale. On ne le savait pas. Nous déléguons hommes, on dit que chaque parti politique est représenté par deux femmes. Donc c'est à nous de nous concerter et prendre celles qui vont représenter d'autres partis. Madame Foubakoy a été choisie. Nous, on a choisi d'autres présidents nationales. La défunte elle a dit, elle, elle est prise par ses activités naturelles, parce que c'est une conversate. Elle ne peut pas aller s'asseoir toute la journée sans rien faire. Moi, si les femmes sont d'accord que je la représente, et si moi-même je suis d'accord, je suis d'accord. Comme tu ne peux pas laisser tes activités et faire euh, rien que de la politique, je dis je suis d'accord. C'est ainsi que je me suis retrouvée à la CDS. Deux femmes à la CDS. Nous allons revenir vers euh, secrétaire secrétaire. et tout. Madame Alassane, vous avez une réaction par rapport à l'intervention de Rabi Je vous remercie d'abord pour nous avoir replongé dans l'ambiance la préparation et le déroulement de la conférence nationale souveraine. La réaction de Rabiou, je ne dirais pas qu'il a raison, mais elle est typique euh, de l'état d'esprit de l'époque et d'ailleurs même euh, même s'il y a une évolution elle est toute euh, proportionnée effectivement quand il y a ce genre de problème on ne pense pas a priori à une composante quand même importante de la population que sont les femmes. Donc euh, quand il s'agit d'aller débattre des questions de la nation, ils ont tout simplement vu les grands groupes, les associations de, syndicats, les partis politiques. Et les femmes devraient se dilier dans ces groupes-là. Et même à l'intérieur de ces groupes, vous avez vu, il n'y avait qu'un seul parti politique qui a pensé intégrer la femme dans sa délégation. Donc euh, vraiment, je dis c'est atypique de <laughs> l'état d'esprit de nos hommes. Malgré les efforts qui ont été faits avec la euh, thématique genre, ça a quelque peu progresser mais pas beaucoup. Vous avez vu, euh, malgré les lois, malgré tout, on fait des nominations. Parfois, on oublie totalement le respect de ces quotas. Alors que pour le quota, ce n'est pas pour euh, la femme, c'est parce que justement, la femme a euh, des besoins spécifiques, a des problèmes spécifiques. Et elle constitue quand même la moitié du corps social qu'il faut penser à chaque fois l'associer au débat caractère national. Merci. Madame Irène Gawara, allô Oui, je vous écoute et nous allons revenir vers vous. Quelles étaient les femmes qui ont pris place à la conférence nationale souveraine Les femmes qui ont participé Oui. Au niveau, moi je sais que au niveau de l'ISN il y a une seule dame qui a, madame, euh, je me souviens plus, mais euh, une seule qui a participé à la préparation de la conférence nationale. Mais à la conférence nationale, il y a eu quand même un certain nombre de femmes parce qu'il était question d'envoyer deux ou trois femmes. Donc euh, on a été nommés par les camarades que d'office, le département de la femme travailleuse doit être là-dedans. Il n'y a pas à même discuter. On a instauré ça comme ça pour le lieu externe. Mais en ce qui concerne euh, la préparation, ça, je ne peux pas vous dire. Je sais qu'on euh, a envoyé à choisir. Bon, ce sont les hommes qui l'ont choisi, hein, pas nous. Les hommes l'ont choisi les parties Bon, tant mieux. La conférence sur la préparation a eu lieu. Bon, maintenant, au niveau de la conférence nationale, on s'est imposé. On a dit, bon, il faut nous envoyer des personnes qui peuvent défendre au moins l'intérêt de la femme. Et c'est ainsi que euh, Madame Zambagna, et moi, et Naé, et une autre encore, je pense, elles ont été choisies pour participer à la conférence nationale. À ce niveau, donc il y a eu pas mal de commissions qui sont mises en place, et à partir de ces commissions-là, on a 28 les femmes un peu partout dans les différentes commissions. Est-ce que l'USTN qui vous a délégué n'était pas en avance sur les autres structures dans la mesure où il y avait déjà un département de femmes travailleuses et déjà des femmes au niveau du BEN USTN Exactement, vous avez bien parlé. cest c'est-à-dire que comme nous sommes dans un système euh, démocratique au niveau du syndicat, sur le plan international, ben, une avancée parce qu'on avait demandé à chaque centrale, chaque syndicat, de mettre au minimum deux femmes dans le bureau et créer un département de la femme travail. Ça, ce sont des recommandations de l'Organisation d'unité syndicale africaine et de l'OTAO. Donc, on a tenu compte de ça, le l'USN a tenu compte et on a mis deux femmes au niveau de la centrale. Et au niveau des syndicats affiliés, on a imposé à ce qu'il y ait un département spécialement de la femme. Parce que quand on dit femme travailleuse, on ne va pas mettre un homme. Donc euh, je dirais que c'est à partir de là où euh, les femmes, en tout cas, ont pu s'insérer dans les bureaux nationaux des syndicats affiliés. Et même au niveau de la centrale. Donc le problème à ce niveau, nous n'avons pas vraiment de problème à ce niveau. les femmes s'imposaient et on avait un département et ce département, euh, sur le plan international, on a vraiment des fonds les bailleurs de fonds nous aident à former, à faire des séminaires pour former les femmes à ce qui concerne la formation, comment il faut faire, comment il faut se battre, tout ça au niveau des droits. Voilà. Et Madame Barry, quelle était la place des femmes à la conférence nationale Bon, vous savez, je me dis hein, qu'une fois qu'elles ont été désignées, chacune dans sa structure, chacune avait le rôle qui lui avait été attribué. Moi, je me rappelle, moi, je dirigeais l'équipe de la police à la conférence nationale. Donc, si on devait parler, si la police avait quelque chose à dire, c'était à moi de m'adresser donc euh, au présidium et de parler. Et chacune avait ce rôle dans son groupe. Je n'ai pas trouvé au niveau de la conférence en elle-même qu'il y a eu une discrimination quelconque. C'est-à-dire une fois qu'ils se sont rattrapés en désignant les femmes, on avait la liberté de la parole et on pouvait intervenir en tenant compte des intérêts du groupe auquel nous appartenons. Chaque fois qu'il y avait un problème concernant la police, je me levais et je disais oui ou non. Si on n'est pas d'accord, voilà on était structuré comme ça, comme on était venu en groupe. Donc, on se concertait et moi, je prenais la parole. À ce niveau-là, vraiment, la femme avait sa place au niveau de la conférence nationale et elle était écoutée au même titre que les hommes. Mais ce que je voudrais dire, c'est que ma présence là-bas était atypique parce qu'à l'époque, de la même façon qu'on préparait la conférence nationale, de cette même façon, il y avait une certaine euh, révolution de palais au niveau de la police nationale. Et la police a créé un syndicat. Donc, moi, j'ai siégé au titre du syndicat syndicat et au plus haut gradé, c'est-à-dire en tant que commissaire. Voilà comment je m'étais retrouvé à la conférence nationale dirigeant, en tout cas l'équipe de la police au niveau de la conférence nationale. Sinon, la femme, vraiment, elle avait sa place au niveau de la conférence. Elles étaient représentées au niveau de toutes les instances de décision et les délégations Oui, absolument. Toutes les délégations, dès l'instant où le mot d'ordre a été donné, dès l'instant où, je dirais, la leçon a été donnée, toutes les délégations se sont conformées, conformées donc à cette euh, nouvelle donne. Donc, il y avait partout des femmes. Elles étaient aussi au niveau de la répartition dans les commissions, dans les il y avait des femmes. Irène siégeait au HCR <laughs> au nom des femmes. Et Madame Hawa Sangare, est-ce qu'il y avait des critères de choix au niveau des partis politiques Madame je ne sais pas comment elle a été désignée. Mais moi, je vous ai dit, la présidente, elle a dit qu'elle est analphabète. Elle n'a été ni à l'école moderne, ni à l'école coranique. Elle a eu ses activités commerciales. Elle ne peut pas euh, délaisser et aller passer toute une journée à la conférence, peut-être sans rien dire. Raison pour laquelle elle a dit que vraiment on la décharge. Vous étiez déjà membre de la CDS J'étais membre de la CDS. Donc, elle a dit que vraiment qu'on la décharge de ça qu'à ma place, si toutes les femmes de Niamey sont d'accord, qu'on me prenne à sa place. C'est ainsi que je me suis retrouvée déléguée à la CDS. Et Madame Alassane, comment au niveau du MNSD les femmes ont été désignées pour participer à la conférence nationale Chez nous, c'était particulier parce qu'il faut se dire que la conférence nationale avait été préparée dans le but de voir la gestion parti-État, pouvoir qui était en place. Et donc, le MNSD parti-État à époque, c'était euh, sérieusement préparé dans le choix des délégués, dans la méthode de travail et dans la façon d'intervenir. Donc si vous vous souvenez, au niveau de la conférence, les femmes faisaient partie des représentants du parti MNSD, euh, c'était à l'époque le parti État. Donc euh, sur la base de critères bien précis, ils ont sélectionné ce qui devrait aller. Et une fois en conférence, la femme a joué le rôle dans la préparation parce qu'il ne fallait pas qu'il y ait de faux pas de la part de ce parti qui était attendu sur beaucoup de points. On se disait même que euh, la conférence était là pour mettre un terme, pour enterrer le MNSD et repartir sur euh, d'autres bases. Donc, il fallait préparer tous les thèmes qui devaient passer à la conférence. Et donc, les femmes ont pris part, ont se documenté. Il y avait un comité préparatoire de nos interventions au niveau de la plénière et des commissions. Sur tous les thèmes, on devrait regarder à la loupe la question, nous documenter, prendre position et parler d'une seule voix. Dans certains groupes, vous avez telle structure continue, telle autre structure continue. Non, on a délégué qu'une seule personne pour parler au nom du MNSD Nassara, au nom du MNSD. Parti État. Parti État. Et c'était cette même personne qui euh, donnait la position. Et c'était qui Donc euh, vraiment, on l'a préparé avec Munici. On a réfléchi. Il y avait un comité qui préparait tout ça. On prenait position et lui, il était notre porte-parole. Donc pour qu'il n'y ait pas de faux pas, pour, que, nous ne donnions pas l'occasion, force vive de la nation, <laughs> d'enterrer le MNSD. Vraiment, comme l'a dit Madame Barry, euh, les femmes ont joué leur rôle, aussi bien à l'interne que dans toutes les commissions au sein desquelles elles ont été désignées. Et à l'inverse de l'USTN, l'USN et son gros bataillon de délégués ne comptaient pas de femmes. L'unique délégué désigné par les syndicalistes étudiants s'est désisté chemin faisant. Avant la conférence nationale, Doka Kaka était le président de l'USN et membre de la commission préparatoire. Nous l'avons rencontré, il se souvient. Il n'y avait pas cette euh, différenciation du rôle. Non, il était libre, il était libre, il n'y avait pas vraiment. Sauf que c'est qu'à l'époque, c'est vrai, bon, il y avait ces pesanteurs sociaux qui étaient là, qui certaines font, tant qu'ils ne sont pas très éclairés, ne pouvaient pas prendre la parole devant les hommes. Ils ont la gêne de leur prendre la parole. Mais il y avait des femmes intellectuellement, en tout cas, aptes à le faire et en surmontant les barrières. Et Madame Aura, allô Allô vous écoute. L'USN était décidément une structure masculine. Quelles conséquences cet état de fait a eu sur la conférence nationale Elle n'était pas masculine parce qu'il y a des fois, même si c'est une seule femme, il faut tenir compte de ça. Mais elle a désisté. <laughs> J'ai vu une seule fille de l'USN qui était là à la conférence nationale. Et qui a désisté, chemin faisant. Ah, je, ne sais pas vraiment hein, parce que je n'ai pas tellement de rapport avec elle. Mais j'ai vu parce qu'on a fait un découpage avec elle. Certainement qu'elle a désisté vers la fin. Et Mme Barry, vous voulez réagir C'est comme elle dit. C'est hein. ce moment moment-là, chacun était préoccupé par son groupe parce que chacun se sentait concerné. Comme elle a dit, le MNSD est parti État, mais il y avait la police qui a servi le MNSD aussi. Donc nous, notre position, c'était vraiment de bien écouter et défendre. Donc l'entourage, euh, bon, ne faisait pas très attention. C'est là que moi j'ai appris qu'effectivement l'USN n'avait pas de femmes. Madame, euh, vous voulez réagir Moi je ne savais même pas que l'USN n'avait pas de représentante parce qu'on était plutôt préoccupé par euh, nos partis politiques. Tu as le droit de prendre parole. Chaque délégué a le droit de prendre parole. Mais avant de le faire, il faut qu'on analyse tous les dix le fait. Ce qui n'est pas du bon côté, on les laisse tomber. Évidemment, ça sauf les petits espionnages là, entre nous, parce que euh, il faut se l'aider, les partis politiques, hein. ils s'espionnaient. Hein. Pourquoi ils s'espionnaient <laughs> eh Oui, pour le leadership. Oui, tout à fait. Oui. Donc, euh, vous voyez, quand tu t'occupes plus de ton groupe politique que de ce qui se passe dans les, autres structures. Madame Ibrahim, quelle réaction oh, C'est comme euh, <laughs> mes consoeurs l'ont dit, hein. chacun se préoccupait des problèmes de son groupe selon les thèmes qui passaient. Et l'USN était les acteurs principaux. Ils menaient la danse, ils menaient la cadence. Donc nous, on ne pouvait pas imaginer qu'à ce niveau, euh, Bon, on ne s'est pas préoccupé de savoir si elles ont, <laughs> ils ont dans leur délégation une femme ou une fille ou pas. Dans tous les cas, ils menaient la danse, comme je dis, c'est à eux de donner le ton. les autres cherchaient à, se défendre, à, se positionner sur les différents thèmes. Euh, c'est dommage parce que ils devraient donner l'exemple. Parce que c'est la naissance de la démocratie et du multipartisme. Ils devraient donner l'exemple. là, personne euh, Avant leur participation à la conférence nationale souveraine, les femmes avaient un certain nombre de préoccupations. Finalement, elles ont été acceptées à condition de ne pas divertir les débats et en restant sur l'agenda prédéfini par la commission préparatoire. Il n'y avait pas eu d'agenda. Quelles étaient vos attentes avant la conférence nationale On voudrait que la femme soit en droit intégrée partout. Nos attentes étaient comme ça. On ne voulait pas qu'il y ait un groupe d'hommes, un groupe de choses. On voudrait que les femmes soient intégrées dans le processus du développement du pays. Voilà notre problème. Et que qu'on permette aux femmes de s'épanouir. C'est pas la peine de, les museler, de, qu'elles sachent au moins une femme qui a le niveau, qu'on lui donne sa place. C'est ce qu'on veut, ce qu'on avait demandé en tout cas en ce qui concerne. Dambari, est-ce que les femmes arrivent à transcender l'esprit du groupe et se concerter en ce qui concerne des sujets d'intérêt national? Mais absolument on était très très très actifs. La conférence se tenait, mais chaque fois on se concertait et notre point de rencontre c'était l'USTN. Vous voyez, au niveau du grand marché. C'est là-bas qu'on se retrouvait, nous aussi, pour vraiment affûter nos armes, comme on dit. Donc tout le temps, vraiment, c'était... de toutes les structures. Ah, absolument, absolument. De tout le temps, quand les autres allaient se concerter au niveau des partis politiques et autres, comme il n'y avait pas de groupe femmes constitué, hein, spontanément, les femmes de structure, on se retrouvait au niveau de l'USTN et c'est là-bas que nous aussi, on se concertait et bon, on adoptait des positions communes. Il y avait un état d'esprit à l'époque qu'on n'arrive pas à retrouver maintenant. C'est ce qui a fait, vous avez vu, non Spontanément, les gens sont sortis pour aller dire non le 13 mai. Et cet esprit a continué. Il fallait être très vigilant pour que, aucun moment, la femmes ne puissent être encore oubliées. Et nous avons continué sur cette lancée-là, en tout cas jusqu'à la fin de la conférence et après. C'est pour ça que au niveau des organes après qui ont été constitués, il y avait la présence féminine. Et Madame Yahya, beaucoup de femmes n'avaient pas l'habitude de prendre la parole en public du fait des pesanteurs socioculturels. Comment est-ce que vous avez pu surmonter cet obstacle-là Moi, mon mari me laissait libre de faire ce que j'ai participé à toutes les réunions politiques. Je suis libre. C'est lui et moi-même qui partons ensemble pour les réunions. la réunion se passe aujourd'hui chez Intel, demain c'est ici, etc. Donc on s'entendait vraiment sur ce point de vue. Par rapport aux interventions au niveau de la conférence nationale, dans la ah, salle Dans la salle. Moi, j'ai intervenu une seule fois à la conférence nationale. Et ça, je n'avais pas de problème parce que je suis enseignante. J'ai un public de moi chaque matin. <laughs> Ce sont les élèves. Ils disent, ils ont leur mot à dire. J'ai fait très très attention à ce que je dis devant un monde euh, de petits a plus forte raison devant un monde de grands. Je n'avais pas de problème de J'ai une seule fois. Je n'avais pas de problème d'intervention. C'est la professeure enseignante qui m'a aidé. Ibrahim Mariam Alassane, est-ce que les femmes ont appris quelque chose au cours de la conférence nationale On a beaucoup appris sur euh, la gestion parce qu'il y avait des dossiers qui étaient là. On a appris également euh, sur le nationalisme. On n'a pas dit clairement, mais de part euh, les orientations des débats et autres, on a senti qu'il y avait la volonté de vivre ensemble, de continuer, mais qu'il fallait extirper de cette communauté nationale tout ce qui ne va pas. Il y a eu des dossiers politiques, il y a eu des dossiers économiques, il y a eu des dossiers sociaux. Donc, euh, certains, on n'était pas du tout au courant. C'est à la conférence qu'on a découvert beaucoup de choses. Bien qu'on soit au pouvoir et qu'on ait géré, c'est à la conférence qu'on a eu des éléments sur euh, certains dossiers. On a appris également, nous, les femmes, qu'il fallait que nous nous organisions. Il fallait amener et nos partenaires hommes à composer avec nous. Madame Irène, au sortir de la conférence, la vision que les hommes avaient des femmes a-t-elle changé Ah si, ça a beaucoup changé, hein, parce que au moins ils nous appellent les Wangari, c'est-à-dire que les femmes ont pu s'imposer. C'est que Ma soeur, Madame Bali, disait qu'à chaque euh, sortie, on se réunit à l'USM, les femmes, pour prendre une position. Et c'est cette position que nous faisons valoir dans nos bureaux. Voilà, elle a parfaitement raison. Quoique les hommes avaient quand même euh, cette vision, ils ont changé, ils ont changé de voir comment la femme était avant et maintenant. Maintenant, je pense qu'à partir de la conférence nationale, les femmes ont commencé à s'imposer parce qu'il y a eu des associations qui ont été créées et puis les femmes sont imposées au niveau des syndicats, à tous les niveaux, en tout cas en ce qui concerne la société civile, ce que je peux dire. Et d'ailleurs, ce qui s'est passé même au niveau de choses-là, pendant les organes de la transition, on faisait partout les organes de la transition. Parce qu'on était trois femmes qui étaient au HCR, sans compter au gouvernement, je ne sais pas le nombre de personnes au gouvernement, mais au HCR, on était trois. Donc ce 15, déjà, c'est quelque chose de bien. Par rapport, en tout cas, où il y avait pratiquement personne à la préparation, je dirais qu'on est sorti quand même à ce niveau, hein, gagnant à ce niveau. Voilà. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter J'allais dire que effectivement, oui, la conférence nous a donné l'occasion, nous femmes nigériennes, de nous faire connaître, de montrer que nous avons un savoir-faire, un savoir-vivre et que nous sommes capables nous-mêmes d'intégrer les groupes d'organisation, en tout cas du futur de notre pays. Donc, comme elle a dit, il y avait deux au niveau du HCR, deux au niveau du gouvernement. Nous étions deux à la commission crime mais à je me rappelle très bien. Donc, c'est tout simplement pour dire que notre histoire repart de la conférence nationale. la participation de la femme à la gestion de la chose publique est partie de la conférence nationale. On nous a découvert là-bas, on a su ce que nous savons faire, parce que nous nous sommes mobilisés, nous nous sommes imposés. Si on avait croisé les bras, peut-être qu'ils n'allaient même pas y penser. Donc, du fait de notre mobilisation, nous les avons amenés à compter avec nous. Et j'espère que cela va continuer. Que cette leçon-là, 13 mai, que les Nigériennes vont s'en souvenir et que chaque fois que de besoin, elles vont se mobiliser, elles vont sortir pour défendre leurs droits. Aucun droit ne se donne. Les droits s'arrachent et les droits se fâchent quand on ne les revendique pas. Donc, continuons à revendiquer nos droits. Madame vous avez quelque chose à ajouter Oui, moi j'ai l'impression, elles ont dit qu'il y a des femmes qui se réunissent à l'USTN. Moi, je n'ai jamais assisté. Je ne sais pas si vous quoi. Je n'ai jamais assisté à une réunion à l'USDN avec les femmes des autres structures. Notre préoccupation première de chaque délégation, c'est de s'en tenir à ce que veut notre structure. Rassembler toutes les femmes de n'importe quelle chose pour parler aux femmes. On ne l'a pas fait. En tout cas, moi, je ne sais pas. S'il y a d'autres qui l'ont fait, je n'ai jamais assisté à une réunion. Moi, je ne sais pas si d'autres l'ont fait. Moi, je ne l'ai pas fait. Je sais que les hommes et les femmes, chacun se sent ceinturé. Personne n'est à l'aise. Donc, le problème était pour tout le monde. Ce n'est pas la femme seulement qui se trouve dans ce problème. Raison pour laquelle on n'a pas pensé à elle seule. D'accord. Merci, <laughs> Madame Non, ce que je voulais dire, c'est qu'effectivement, et Madame Fumakoy faisait partie de ce groupe de femmes qui se réunissaient. Elle, elle était politique. Nous, on était société civile. Donc, les femmes politiques étaient dans leur politique. Mais les femmes de la société civile, USTN, USTN et les autres structures, on se rencontrait effectivement pour préparer et on était, on se réunissait là-bas à l'INEO, à leur siège là-bas. Voilà ce que je voulais dire. Effectivement, on a considéré que les partis politiques euh, ont leur sauce à part. Mais nous, femmes de la société civile, donc on se retrouvait vraiment, on prenait une position, va avoir tout à fait, on échangeait. Voilà ce que je voulais dire. Et Madame Alassane, à votre avis, la vision que les hommes avaient des femmes a changé au sortir de la conférence Certainement, certainement, parce que on a senti après la conférence, nos collègues hommes sont devenus plus perméables à la question du genre. Et ils craignent d'ailleurs, parce que je crois que le 13 mai là est resté gravé dans leur esprit la manière spectaculaire où, sans grande préparation, toutes les femmes se sont mobilisées comme un seul homme. Vraiment, elles avaient toute la même motivation, elles ont marché. Et je crois que c'est resté dans leur esprit. Et désormais, vous voyez, dès qu'ils font euh, dans les réunions, ils disent, ah, il n'y a pas de femme, il faut qu'on prévoie une femme, le quota, quota. Et le quota est parti. Et parti de là, on a eu le quota. Oh, mais malheureusement, vous savez, rien n'est parfait. Malgré le quota, il y a quand même des insuffisances dans l'application de ce quota-là. n'est pas rigoureusement fait. Il y a eu des observatoires de droits de femmes. Et je ne sais pas si cet observatoire est très actif aussi, mais on devrait normalement être beaucoup plus euh, vigilant pour euh, examiner à la tous les textes de nomination et autres, afin que les quotas soient respectés. Aujourd'hui, c'est au niveau des élections seulement, comme il y a la Cour euh, constitutionnelle qui regarde de près ces choses et qui exige des partis politiques le respect de quotas. Ça se fait. Mais pour les postes de nomination, c'est pas systématiquement fait. Il faut le Il n'y a pas que les postes de ministre, il y a les postes de DG, on ne songe pas. Il y a des postes au niveau de l'administration territoriale, on n'y songe pas. Il y a même au niveau des postes techniques, et on devrait quand même autant que faire se peut, euh, appliquer ces textes parce que on dit les femmes euh, ne sont pas représentées dans les corps de métier aujourd'hui, Dieu merci. Je crois que euh, on ne peut pas nous avancer ces arguments-là. Mais la conférence, c'est qu'elle a de positif pour les femmes, c'est que vraiment désormais on compte avec les femmes. D'accord, nous allons revenir sur cette question le temps d'observer une petite pause. Madame Ibrahim, nous allons commencer avec vous puisque vous avez déjà commencé à parler des aspects positifs de la conférence nationale. Quels sont ces aspects-là Bon, ça aurait été encore plus efficace si les actions et le cahier de charges, parce que quand on est sorti de la conférence, il y avait un cahier de charges. Dans ce cahier de charges, il y avait plusieurs aspects de la vie euh, nationale chaque département, chaque secteur d'activité devrait en inspirer pour euh, concevoir les programmes, les politiques et même les actions. On a fait ce qu'on a pu, mais je disais qu'on aurait pu atteindre un résultat beaucoup plus euh, probant si tous les acteurs avaient joué le jeu. Mais chemin faisant, je crois qu'on a oublié ce cahier de charges. Certaines de bonne volonté, parce que moi, après la conférence, j'ai été nommé ministre de la et Quel était le contenu de ce cahier de charges Je vais vous parler de celui qui me concerne. J'étais en train de vous dire que moi, j'étais à la fin de la conférence nommé ministre de la fonction publique. Et dans ce cahier de charges, on avait deux grandes actions, la nigérisation des postes et les fonctionnaires indélicats qu'il fallait les sortir de la fonction publique nigérienne. J'ai pris cette tâche religieusement et je l'ai exécuté. Malheureusement, ça n'a pas eu d'aboutissement. Il y avait des cas qui étaient embarrassants pour le pouvoir euh, et qui n'a pas pu parachever l'action. Nous, on a fait les enquêtes, on a situé les responsabilités, on a essayé de vérifier tout ce qui s'est dit, on a fait des conclusions, on a proposé des choses. Ça n'a pas été plus loin. Et voilà que j'ai fait vraiment une tâche ingrate, pénible, parce qu'il y avait des parents, il y avait, <laughs> eh, vraiment, c'est ce que je ne voulais pas vous dire, le sale Vis-à-vis de tout ce qui était passé devant cette commission, je me suis fait mal voir et j'ai fait ça avec rigueur, impartialité, pour que je pensais qu'on était dans une ambiance où on était résolu à nettoyer tout ce qui ne valait pas et à repartir sur des bases nouvelles. Et voilà, j'ai fait ce travail, j'ai transmis le dossier, pchit, comme dirait l'autre, plus rien ne s'est passé. Et à votre avis, quel changement la conférence a apporté dans la place des femmes dans le débat politique au Niger Oui, au sein des formations politiques, bien qu'on parle de femmes, comme garniture, euh, qu'elles soient là pour euh, la mobilisation et que, bon, il y a une part de vérité dedans, mais au sein des partis politiques, la femme elle s'est taillée sa place. Et vous voyez dans les, conseils, que ce soit municipal, régional ou au niveau du Parlement, il y a eu des améliorations. Pendant toute une décennie, on n'a eu qu'une seule femme au Parlement. Vous voyez l'évolution également du nombre des élus femmes au, sein des conseils municipaux et au sein des conseils régionaux. Donc, euh, en ce qui concerne la politique et les élections, je vous ai dit, l'amélioration est visible, c'est clair, mais c'est au sein de l'administration pour les nominations que euh, ceux qui sont plus débrouillards, qui savent aller dans les salons, hein, qui savent se faire hein, voir les hommes, il laisse très peu de place aux femmes. Et même les programmes politiques, je pense qu'il n'y a pas suffisamment pris en compte les questions de genre, des problèmes de, des femmes. Vous avez vu les programmes les budgétaires euh, basés sur le genre, vous avez vu des programmes spécifiques qu'on peut concevoir. Mais il, faut qu'il y ait une femme qui est sensibilisée à cela. Il faut la promotion des femmes aux instances de décision pour que cela se fasse. Or, je vous ai dit que c'est là que ça pêche. Merci. Madame Irène. Je vous et nous sommes oh. pratiquement à la fin du forum. Et qu'est-ce que vous retenez de positif de la conférence nationale cas, ce que je retiens de positif à la conférence nationale, beaucoup de nos sœurs, elles ont parlé tout à l'heure, elles ont dit euh, ce qu'elles pensent et c'est vrai. Moi, ce que je, retiens réellement, c'est-à-dire qu'il y a eu l'épanouissement de la femme et puis au niveau des structures de la société civile, nous avions pu en tout cas créer un certain nombre d'associations, euh, groupements et puis euh, on a pu quand même sensibiliser les femmes à, pour qu'elles s'intègrent dans les partis politiques, en tout cas au niveau des différentes euh, organisations. Et au niveau des syndicats, ça a quand même réveillé un certain nombre de choses parce que les femmes ont beaucoup milité au niveau de la centrale syndicale. je dirais que ça a été vraiment une bonne chose pour nous, cette conférence nationale. Les femmes, elles étaient solidaires. Mais maintenant, j'ai l'impression que les femmes ont lâché. Elles n'ont qu'à se réveiller. Elles sont en train de dormir. se réveiller, C'est que Mme Barry disait que les droits s'arrachent. Et c'est comme ça. Il faut qu'elles se réveillent. Il ne faut pas qu'elles attendent qu'on vienne leur donner ça comme ça sur un plateau d'argent. Non. Elles doivent se réveiller. Les différentes associations qui ont été créées à partir de la conférence nationale nationale et se revoir, reprendre une autre stratégie qui pourra en tout cas les amener à arracher un certain nombre de droits. Parce que, comme disait Madame euh, Alassane, le problème du quota, le quota n'est pas respecté. Et même si c'est pas respecté, les femmes ne, réagissent pas, elles sont là. Je sais qu'à un moment où elles ont réagi, mais elles ne réagissent pas. Parce que la politique s'est tellement infiltrée au niveau de nos affaires, de telle sorte qu'il est même impossible que les femmes réagissent, si je comprends. Quel changement la conférence a apporté de la place des femmes euh, dans le débat politique au Niger Ça a amené un changement parce que les femmes sont intégrées. Avant, les femmes ne faisaient pas de la politique. Elles viennent s'asseoir comme ça, hein, comme des figures, et puis elles disent rien. Mais maintenant, je crois que les femmes sont imposées, hein, parce qu'il y a des femmes députées, il y a des femmes ministres, il y a des femmes conseillères. Et je peux dire qu'il y a un effort qui a été fait. Bon, quelles que soient les choses, mais il faudrait tenir compte quand même que les femmes se battent. Mais ce n'est pas suffisant. pas suffisant. Parce que moi, j'ai vu que nos associations que nous avions créées, elles sont moribondes, elles ne réalisent pas, elles ne font aucune stratégie pour que les les femmes puissent venir vers elle. Moi, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Il y a une léthargie totale. lendemain de la conférence nationale, c'est Il y a plus de choses là-bas. Il faut qu'elle se réveille parce que la conférence nationale a beaucoup apporté au camp. Sans cette conférence nationale-là, on ne serait pas là aujourd'hui en train de parler avec vous, c'est sûr. Donc il y a un problème de démocratie, un problème de liberté, les femmes ont eu la liberté de parler et de dire ce qu'elles pensent. En tout cas, dans le cadre positif, c'est ce que j'ai compris. Mhm. Et cette conférence-là a été vraiment un détonateur pour toutes les femmes et même les hommes, ils ont pu encore s'épanouir parce qu'aujourd'hui, si nous sommes en démocratie, il y a eu des élections et des ceci, c'est grâce à la conférence. Ce n'est pas uniquement pour les femmes, c'est pour tout le Nigeria. Madame Barry, votre réaction Moi, je dirais hein, à la suite des autres que la conférence, je l'ai dit, je vais répéter, a vraiment amené la révélation pour les femmes. C'est là que la femme a été prise en compte. C'est là que la parole a été donnée à la femme. Pour ne parler que de la structure que je représentais, c'est à la conférence que le Niger entier a su qu'il y avait une femme commissaire. C'est après la conférence qu'on a pu lui confier des postes de responsabilité de haut niveau tels que commissaire central, qu'elle est directrice adjointe de la sécurité publique telle que directrice même de la police judiciaire. C'était rare. Même la France, qui est notre euh, image, ne l'avait pas encore fait. Donc, au niveau des partis politiques, on a pris en compte la composante femme. Et nous-mêmes, femmes, dans les associations, si vous regardez avant, les femmes ne sortaient pas pour voter, les femmes ne se présentaient pas. Il a fallu que nous fassions un travail de fond. Nous, les femmes des associations, AFJN, RIDFITILA nous nous sommes mises à parcourir euh, RDFN, à faire des conférence débat à parcourir le Niger entier pour faire connaître aux femmes leurs droits, leurs devoirs et pour dire à la femme de la même façon que les hommes peuvent se porter candidat, vous pouvez être candidate, vous pouvez être élu. Et de cette même façon, pour exprimer votre euh, choix, vous vous devez de sortir pour aller voter et non donner votre euh, carte de lecteur à votre mari ou à votre euh, pour aller voter. Allez-y, c'est votre choix. Maintenant, celui qui regarde chaque fois qu'il y a des élections, la fille longue, ce sont les femmes, parce que on les a vraiment conscientisées. Et comme elle dit, il y avait un élan à l'époque. On avait un objectif. Certes, l'objectif a été atteint, c'est-à-dire prendre en compte la composante femme. Mais cet élan-là est en train de se mousser. Je suis désolée et j'en appelle à mes sœurs, en tout cas, pour que cet esprit de 13 mai puisse revenir et pour que vraiment les femmes puissent continuer à arracher leurs droits. Hawa Sangare, qu'est-ce que vous retenez de la conférence C'est pour conseiller à mes filles à mes petits qui cherchent le quota, à mes sœurs qui cherchent le quota. Ça s'arrache. Si vous avez eu une domination, il ne faut pas oublier euh, vos sœurs de campagne. Comme les hommes font, ils creusent des puits, ils font ceci, ils font des écoles. Faites de votre mieux. Il faut éduquer les femmes. Montrez-leur que le peu que vous gagnez là, vous les partagez avec elles. Mais si ce que vous gagnez, vous mettez ça à des parades. C'est pas les parents qui font, celles qui font la politique. Il faut aider tout le monde. Que chacun sache qu'une telle, au moment où elle a eu, elle a partagé avec tout le monde. C'est Ce que nous pouvons retenir de ce forum est que la participation des femmes à la conférence nationale a été d'une grande utilité. Elle a permis à ces dernières de sortir du foyer pour débattre des questions concernant la marche du pays. Elles ont gagné du respect des hommes et de l'affirmation de soi. 4, 3, 2, 1, 0. Nous étions avec Madame Yahaya Hawa Sangare, déléguée de la CDS à la conférence nationale. Nous étions avec Madame Barry Bibatanyandou, représentante de la police à la conférence nationale. Nous avions joint au téléphone Madame Irène Diawara, membre du BEN USTN, une femme qui a joué un rôle de premier plan à la conférence nationale. Nous étions avec Madame Ibrahim Mariam Alassane qui avait représenté le MNSD à la conférence nationale. Nous sommes au terme du forum du studio Kalangou. À la présentation, c'était Balkis Amidou. Merci à nos invités et à vous tous pour votre fidélité au programme du studio Kalangu qui vous parvient grâce à nos 34 radios partenaires. Merci et au revoir.